toute, l'actualité à temps réel, à temps réel, sur Référence TV. Référence TV, la chaîne de l'innovation. Reconnus et engagés, reposé en paix, nom. Nous sommes reconnaissants pour la vigueur de la gouvernance des villages d'enfants SOS. La vision futuriste qui a permis à SOS, village d'enfants, de s'adapter rapidement aux mutations et de grandir au-delà des espérances. Vous avez été en avance sur votre temps et vous avez adopté les outils de la modernité pour mieux servir la cause des enfants. Depuis l'annonce de votre décès, les témoignages fusent de partout, de l'Afrique à l'Europe, du Moyen-Orient à l'Asie et jusqu'aux Amériques. Les membres de la Fédération des villages d'enfants espèces témoignent de sympathie et louent votre engagement et votre courage, deux valeurs sont chères. Les enfants et jeunes pleurent de tristesse, mais restent convaincus que le chemin que vous avez tracé et les jalons que vous avez posés sont éternels. Partez en paix, Cameroun. Il y a des œuvres qui ne meurent pas. Elles continuent de vivre dans toutes ces personnes sur qui vous avez eu un impact. Elles vivront dans toutes les réalisations que vous laissez derrière vous à votre famille du Sénégal, du Mali, à toutes les personnes qui vous aident, nous présentons nos sincères condoléances. Que le plus grand des paradis soit votre éternelle demeure. Tâche d'enfant de s'adapter rapidement aux mutations et de grandir de la désespérance. Vous avez été en avance sur votre temps et vous avez adopté les outils de la modernité pour mieux servir la cause des enfants. Depuis l'annonce de votre décès, les témoignages fusent de partout, de l'Afrique à l'Europe, du Moyen-Orient à l'Asie et jusqu'aux Amériques. Les membres de la Fédération des villages d'enfants espèces témoignent de sympathie louent votre engagement et votre courage, deux valeurs qui nous sont chères. Les enfants et jeunes pleurent de tristesse, mais restent convaincus que le chemin que vous avez tracé et les jalons que vous avez posés sont éternels. Partez en paix, Cameroun. Il y a des œuvres qui ne meurent pas. Elles continuent de vivre dans toutes ces personnes sur qui vous avez eu un impact. Elles vivront dans toutes les réalisations que vous laissez derrière vous. À votre famille du Sénégal, du Mali, à toutes les personnes qui vous aident, nous présentons nos sincères condoléances. Que le des paradis soit votre éternelle demeure. Bon, il faut que tu aies un comportement euh, responsable. Euh, tu ne représentes pas que toi-même, c'est une grande dame. Mais comme vous le savez, lorsqu'on vit avec une personne, votre maman, tout ça, vous ne savez pas euh, réellement que c'est une personne spéciale. Ce sont les autres qui le voient. Pour vous, c'est juste votre maman, votre papa, votre frère, votre soeur. Mais lorsque je vois tout ce monde qui vient ici volontairement, je veux d'abord vous dire à tous, merci beaucoup. Dieu Dieu, Je vous remercie du fond du cœur pour cet amour que vous lui portez et qui vous a amené jusqu'ici pour lui rendre un dernier hommage et l'accompagner à sa dernière demeure, pour ceux d'entre vous qui vont nous suivre jusqu'au cimetière. Thank Let's go. tout ce que je peux dire, c'est que je suis très ému par euh, cette présence massive de personnes de tous horizons qui sont venues pour lui rendre un dernier hommage au moment où elle a terminé sa mission sur terre et qu'elle retourne auprès du Seigneur. Et je suis donc euh, absolument euh, complètement, je ne veux pas dire renversé, mais je veux dire euh, impressionné. Parce que beaucoup de gens m'ont souvent dit « Ah bonjour, euh, Madame Kamaro, tout ça, euh, c'est une grande... » On m'a beaucoup parlé d'elle en bien, on m'a parlé d'elle comme étant une dame exceptionnelle. Et lorsque j'ai et que j'ai commencé à étudier un tout petit peu son parcours, je me suis rendu compte qu'effectivement, euh, elle devait être quelqu'un de spécial parce que ce qu'elle a réussi dans ses études, euh, dans les années, elle est née en 1937, donc euh, dans ces années-là, euh, sous la colonisation, aller à l'école jusqu'à l'université. Ensuite, je me suis rendu compte que même au temps où elle était étudiante, elle s'est toujours engagée dans des activités sociales significatives, aux côtés de mon père d'abord, lorsqu'ils se sont rencontrés en tant qu'étudiants à l'étranger, en Europe, en France et ils étaient très actifs dans le mouvement étudiants noir africains en France. Euh, ma maman me citait plein de noms d'étudiants qui sont passés entre leurs mains parce que mon père était le président de la Fédération des étudiants d'Afrique noire francophone qui était une très grosse organisation à l'époque. Et beaucoup de gens qui sont devenus aujourd'hui chefs d'État en Afrique, dans tous les coins d'Afrique, parce que les gens venaient de tous les pays et eux, ils étaient, c'était toute l'Afrique noire francophone, mais il y avait même des lusophones comme le président Joachim Chisseno, qui était un de leurs élèves, qu'ils ont encadré, parce que eux, tous les nouveaux étudiants qui venaient, ils s'assuraient de leur donner toute l'assistance nécessaire pour qu'ils puissent naviguer le milieu estudiantin européen et ils se sont beaucoup battus pour l'indépendance, euh, des choses que je ne savais pas, mais que des tontons de l'époque m'ont souvent raconté. Et bon, moi je dis, euh, chacun a sa mission sur Terre. Et euh, je pense que, comme je vois ce que j'ai vu, et surtout le premier discours qu'il y a eu, euh, ce qui était un témoignage assez, assez excellent quand même, un très bon témoignage, la dame qui a parlé en premier, je me suis dit qu'elle avait tout dit et que effectivement c'est une dame qui a beaucoup fait et qui a, en tout cas, je pense qu'elle a presque, comme on ne peut pas dire 100%, mais elle a dû achever, elle a dû atteindre, a atteindre 90 ou 95 ou disons 99% de ses objectifs. Euh, elle, elle, a, elle, a, accompli la mission que le bon Dieu avait tracée pour elle. Et donc je disais, bon, moi je suis son fils, tout le monde euh, le dit et tout, euh, me parle d'elle. Euh, ma mission est différente probablement, parce que chacun a sa mission. C'est pas parce que ta maman ou ton papa, c'était ça sa mission qu'il a réussi brillamment, que ça se traduit automatiquement au niveau des enfants. Mais à partir du moment où je suis conscient de ce qu'elle représentait, je sais que je dois avoir un comportement irréprochable, surtout maintenant qu'elle n'est plus là. Remerciement et gratitude totale parce que je sais surtout que euh, tous ceux qui sont au village, aux différents villages, que ce soit Dakar, Louga, tout le système des villages d'enfants SOS et aussi les gens de l'ASBEF, euh, je sais qu'ils lui ont porté beaucoup de respect et ils ont été toujours à ses côtés. Et moi, je leur dis merci, merci beaucoup, merci et je leur souhaite un bon futur, une bonne continuation. J'espère qu'ils vont trouver... Euh, une ou plusieurs autres personnes aussi fortes qu'elle pour continuer à se battre pour les intérêts de village hein, et des différentes euh, organisations avec lesquelles elle, euh, elle a contribué à améliorer euh, le sort de, milliers ou de peut-être dizaines de milliers, peut-être même centaines de milliers de personnes, de Sénégalais et d'Africains. donc je leur souhaite bonne chance et moi de toute façon, ceux qui veulent me, voir, ils peuvent me voir, il n'y a pas de problème, moi je suis sans protocole réellement et je suis impressionné en tout cas par euh, la marque d'affection que j'ai vue, surtout aujourd'hui. Parce que les gens sont venus euh, volontairement et vraiment c'est fantastique, alhamdulillah. Maman Tamaro, ça va être triste, mais ça va pas être quelque chose de difficile. Ndax mën ni depuis que nous sommes enfants, à ñu yar amuñu dara ci a lu ñu à mon tey amuñu fait. toujours ñun bi ñuy xàmmaliku di nekk xale bam nous ñu enfants. Quand bi sommes si bëñam yi moom la ñu mas a xam elle nous a toujours considérés comme ses enfants on n'a jamais manqué de rien du euh, elle était toujours présente on n'a jamais manqué de quoi que ce soit vraiment une bonne mère une dame une grande dame quand on dit une grande dame elle est vraiment parce que à il y a beaucoup de choses qui se passent mais les ah ans on l'a appris parce qu'on a un groupe de euh, de WhatsApp SOS. Donc nous sommes toujours en contact. Même si on ne se voit pas, nous sommes toujours en contact. Donc le message est vite passé. Et puis il y a un des enfants SOS qui se trouve être mon jeune frère. Donc c'est lui, c'est lui qui se charge de la communication avec Jean-Claude. Donc nous sommes toujours au parfum de ce qui se passe au sein du village SOS et même en dehors avec les enfants de SOS village. Ceux qui vont prendre la relève, ils leur à faire comme ils faisaient ou plus même et nous qui sommes ces enfants, qui sommes là pour le moment, nous, il nous incombe aussi de faire plus d'actes de valeur et de bonne volonté, comme elle nous a toujours euh, appris. Oui, suivre ses pas, c'est ça qui ferait son repos éternel. Donc moi je suis avec Tamaro depuis presque l'âge de 5 ans, 6 ans, en même temps que son fils, quand elle était avec le docteur Moussa Diallo. J'ai grandi devant elle, puis on a eu des rapports privilégiés extraordinaire. Elle avait une forte confiance en moi. Et je l'ai accompagnée jusqu'à ce que Dieu décide la fin. Même le jour de son décès, j'ai passé la journée avec elle. C'était mon amie. C'était une femme très sociale, très humaine, et puis qui avait de hautes valeurs et un grand sens de la famille. Et qui m'a beaucoup encouragé, beaucoup aidé, beaucoup accompagné on s'est accompagné. nous, regrettons son départ, mais c'est la loi de la vie. Et je sais que nombreux seront les enfants qui vont la pleurer. Elle a des enfants même qui sont plus importants que nous. Des enfants du village, des enfants de quartier, des enfants qu'elle a éduqués. Mais nous prions pour, cette, son âme et on sait qu'on a perdu une très grande africaine, une très grande dame. Mais je venais de la quitter, moi j'ai passé la journée avec elle ce jour-là. Je venais de la quitter et puis à peine arrivé chez moi, le module Timis, Julie Guérec, euh, Anta, qui est du village Wama, n'est ma mère Bidem. Alors que quand j'étais avec elle dans la journée, avant de la quitter, on avait beaucoup parlé. elle me disait même que je l'amène à la piscine le lendemain. Je lui ai dit demain je viendrai. Mais bon, Dieu n'a pas voulu. maa ngi tudd Léna Diallo SOS village d'enfants Dakar fa laa yaroo depuis soixante seize maa ngi foofu mais vraiment ñun tey suñu xol yi dafa fees man ba ma yëgee kii bi ba léegi nelawuma ndax ñëw naa ba principal seet ñun daal dañ lim awma dara lu ma ci wax dañ koy ñaanal rek yàlla na ko yàlla yërëm ta xaaree ko àjjana yàlla na dee di noflaayam yàlla na moom daal mënuñu wax suñu xol man moom man trop trop trop il faut dire que j'étais en mission de terrain à SP Sénégal ce jour-là et à la fin de la journée, la directrice nationale m'a informé par message que euh, malheureusement nous avons perdu notre chère euh, présidente d'honneur actuellement, qui est Madame Tamaro Touré c'est un peu comme ça que j'ai appris la triste nouvelle. Non, disons que euh, j'ai eu la chance, hein. j'ai eu l'honneur de travailler avec elle euh, en tant que membre du conseil d'administration parce que par mon rôle, je suis un membre de droit du conseil d'administration et à l'époque, elle a été présidente de l'association nationale quand j'étais arrivé au poste en 2015, depuis 2015. Et donc, c'est une femme battante, une femme fière, qui aime ce qu'elle fait, engagée pour les villages d'enfants, et qui, euh, lorsque elle, a une vision, elle aime anticiper, elle a une vision pour le, comment faire pour que les enfants qui sont en difficulté, faire en sorte que ces enfants-là soient pris en charge convenablement, comme cela a été retenu par les villages d'enfants SOS. Et donc, pour elle, c'est tout faire pour que ces enfants-là aient une prise en charge de qualité. Et donc, euh, je dirais pratiquement euh, que j'ai vu en elle un modèle de femme. Hein un modèle de femme leader qui a des visions claires de ce qu'elle veut et qu'elle veut quelque chose, elle met les moyens pour y arriver, de façon à ce que ces enfants-là retrouvent quand même une prise en charge de, qualité. Donc c'est un peu ce que peut l'autorité d'elle. Mais en tant que aussi Mais euh, mère, hein, elle a cette, euh, cette fibre, hein, elle a cet amour pour ces enfants-là et aussi pour... Euh, le développement des villages d'enfants en général et plus particulièrement, elle veut que l'Afrique ait une voix sur le plan international. Elle veut que, au-delà de tout, que nous, Africains, puissions nous serrer les mains, que les villages d'enfants d'Afrique puissent avoir une voix sur le plan international. Et donc, euh, c'est un regret. C'est une grande personne que nous avons perdue aujourd'hui, mais nous estimons qu'elle euh, a laissé un héritage et que ceux qui sont là aujourd'hui feront en sorte que m'a porté le, le, flambeau, porté les standards ce qu'elle a réaliser. bu baax lool nag man a yor ay xale wax dëgg yàlla SOS nag yàlla dafa def muy loo xam ne amuñu mbellit ndax te Herman may la lam fa lam fa fondement woon di ko def lépp ñu ngi ci doon ci doon jaar benn madame Tamaro mii jëndal na ma xar Tabaski ba tàyyi man bi ma retraité léegi jëndal na ma xar tabaski ba taay te xam ku mu koy jox dee na ba doomam de dee na ba turam la koy jox mu yónnee ma ko duma gis sax da ko yónnee joxal ma ko fàttan mu jox ma ah mënoon na ko bañ a def ndax ay moment yu bare nga fa woon la ma fa nekk nag ba na ma fa jógee mosuma faa am lu ko naqari ba ci cinq maisons yi nga xam ne SOS yi nga xam ne ñoo nekk Dakar ay Tamba Kaolack Casamance Ziguinchor yooyu yëpp ku ma ci dem da ngaa mel ne fo ndax ñëpp a jaar ñëpp jaar nañ ci samay loxo jaar te gisuma ci nag moment bu nag waaw xale yaa ngi nii ku egsi ma woo sax nuyu ma ca duma ko duma leen xàmmee xool dama daan wut attaay teg ko sama buntu maison neuf la ne woon teg ko ci buntu bi bu may dem repos ak bu ma bu ma demul repos yëpp foofu la ñuy attaaya bu ngoonee maa koy jënd teg de bu may dem repos ka ma remplacé ma ne ko attaaya baa nga fi ne dañ ko jël mujj gi Seexu Omar mii moo may jox 2000 francs ne ma dolli ko jënd ko suukar ndax yow ni ma la gis di mama mama ci am na ñoo xam ne xamatuma seen tur Seexu Omar nag waxoon na ma ko nee na woon li ngay baax nii bal ka koo xam mbate nga jëlee retraite ba dem bi ma demee léegi am na ñoo xam xamatuma leen wante dama nii ma ñëw nii ci dëj bii réccu ma ko de ni ma toog nee na li ma toog na la ca biir suñu levée de corps sama course gi laa yor jàppal naa Tamaro Touré téeméeri xul walaaw ahad allahu samad ak benn ah ak fukk ak benn di ko ko ñaanal ndax xam na xolam ci boppam da ko xar dugal ko ci SOS te yemale xale yëpp nag ñu baax ci moom man SOS moom jaaraama rek laa mën a wax. il me serait un peu difficile de parler de madame Tamaro Touré parce que c'était une grande dame. qui m'a recruté comme directeur d'une école, village d'enfants SOS, en septembre 1989. Une dame que j'ai côtoyée, qui a fait de moi ce que je suis présentement par rapport à la gestion des villages d'enfants SOS. Quand euh, elle a consulté mon dossier en septembre 1989, je me rappelle bien. La première question qu'elle m'a posée, est-ce que vous êtes marié Je lui ai dit oui. Est-ce que vous avez des enfants Je lui ai dit oui. Que représentent ces enfants-là pour vous Je lui ai dit que ces enfants-là, c'est ma principale richesse sur Terre et me dit je vais augmenter ton capital de richesse en enfants en te confiant une structure village d'enfants C'est ce qu'elle a fait. Cela vous dit, cela dit tout. Cela, cela, ça résume tout par rapport au degré de gestion de l'être humain qu'elle a mis au devant de, sa, de la scène. Une haute personnalité et qui aimait gérer des enfants qui étaient en situation de, vulnérabilité. on ne peut pas tout, on ne peut pas tout dire de ce cas-là. Aujourd'hui, quand je venais à SOS, il n'y avait que trois villages. Le village d'enfants de Dakar, le village d'enfants de Kaolok et Louga était en projet de construction parce que c'est l'école qui a ouvert ses portes avant le village d'enfants. Donc aujourd'hui, nous sommes à combien Cinq villages d'enfants SOS. Combien de structures annexes Je dirais que le, le tamarinier s'est écroulé, mais les racines sont restées. Les racines, c'est tout ce que vous entendez parler du village d'enfants SOS à travers le Sénégal et qu'elle a eu à gérer, à implanter, à implanter et à faire de telle sorte qu'aujourd'hui, qu'on parle de ces structures-là avec les autres membres de l'association Village d'enfants SOS qui sont là, qui sont restés. Combien d'enfants sont sortis de ces villages d'enfants SOS On ne peut pas en parler. Combien sont devenus responsables aujourd'hui c'est une grande dame. Je suis parmi les premières mamans qui étaient à Louga. Tu me témoignes. parce que euh, suñu xol dafa tooy ba nga xam ne mënuñu wax lépp waaw wax lépp ndax am naa fi goro à SOS ndax sama goro enfant SOS la mu takk sama doom maam fa ay sët mu tuddee ko sans papa kon nag c'est une boo xam ne man jëlee naa ko foofu en tant que mère SOS foofu laa liggéeyee ba jël retraite kon nag SOS defal na ma lu que kii nag faisait partie de de de de de mes supérieurs c'était un frère du sama directeur de un frère. un frère un père koy Cameroun nak ci SOS Sénégal ko fay ci J'ai fait 18 ans au village SOS Dakar donc euh, je connais très bien maman Tamara Touré donc euh, je me rappelle très bien lorsqu'elle me disait que d'arroser des plantes tu vois donc euh, c'est une mère bien une mère gentille mère souriante donc vraiment décembre def ñoo bett trop mais yalla baax de toute façon ñu ngi koy ñaanal yalla donc euh, man vraiment man en personne man xoma ma de mais en personne man dans na ba dem ma viens travailler chez moi tu vois parce que dama doon defar ay fleurs tu vois Marc tonton Mbaye ancien ancien fleuriste du village SOS donc là actuellement on travaille ensemble donc au moins xam tout tur Tata Tama Touré tu vois donc moom parfois des nouveaux SOS tu vois donc daf ñuy wax daf ñuy teete daf conseiller man man en personne man man man en personne ancien enfant du village là mais parfois téléphone Allô, góor gi foo nekk ma nekk maa fi mu ne cœur. tu vois awakam donc euh, je devais te donner quelque chose donner quelque chose pour moi conseil tu vois donc da man xam nga man mom, ay activité ak tu vois depuis depuis à bas âge donc moi euh, moi ma moi ma l'un des lenn bul mës def ñaawteef bul mës dëgg dugg si loo nekkul del wax dëgg à tout del wax del wax lépp loo xam ne jub na si yoon te bàyyi tërëdi bi Donc, que man dogorona bop top mais en général mom moo se guenné tu vois donc euh, tay jii buñu guenné flash, village bu ñu amee grâce à elle parce que mom mo fi ñëk andi tubaab bi au village SOS de Dakar tu vois et les présenter donc euh, là bu nekkee tay ki nga xam ne moom président de association des des enfants euh, euh, des villages du Sénégal loolu Bektel. je suis très content avec de lui lui c'est mon ami ami de à longue date à longue date et maintenant et je suis vraiment merci à ma maman je pleure pleuré à ma maman je suis très content de lui lui va partir au paradis je pleure.

moo tax maman yi ñun tamit dañ koy gërëm di ko sant ndax maa ngi koy souhaité di ko souhaité fu mu tëdd yal na ko yàlla xare àjjana di ko ñaanal yàlla mi nga xam ne yàlla rek mooy buur ndax maman bu baaxoon la si ñun ndax dama ko gërëm di ko ndax lu tax moom moo ma yóbbu SS ndax moo ma yóbbu ci SS de euh, Louga ma yag fa ak moom ndax maa ngi koy gërëm di ko sant di ko ndax affaire bi daf ma daf ma daf daf ma trop soog ci moom ndax dama ko dama ko defoon lu baax si moom ba pare daf maa yar ci yar bu baax jàngal ma lu baax xamal ma àdduna ndax bu doo woon moom du ma am loo xam ni ngir yàlla ak moom la ndax moo ma yar ci yar bu baax jàngal ma lu baax jàngal ma ci SOS ba ma yar ba nii ma toll nii ngir yàlla ak moom la bu doo woon moom du am lépp ngir yàlla ak moom la yal na xare àjjana. il me serait un peu difficile. de parler de Madame Tamarou Parce que c'était une grande dame qui m'a recruté comme directeur d'une école, village d'enfants SOS, en septembre 1989. Une dame que j'ai côtoyée, qui a fait de moi ce que je suis présentement par rapport à la gestion des villages d'enfants SOS quand euh, elle a consulté mon dossier en septembre 1989, je me rappelle bien. La première question qu'elle m'a posée, est-ce que vous êtes marié Je lui ai dit oui. Est-ce que vous avez des enfants Je lui ai dit oui. Que représentent ces enfants-là pour vous Je lui ai dit que ces enfants-là, c'est ma principale richesse sur Terre me dit je vais augmenter ton capital de richesse en enfants en te confiant une structure village d'enfants C'est ce qu'elle a fait. Cela vous dit, ça, cela dit tout. Cela, cela, ça résume tout par rapport au degré de gestion de l'être humain qu'elle a mis au devant de, sa, de la scène. Une haute personnalité et qui aimait gérer des enfants qui étaient en situation de, vulnérabilité. Dans Touré, on peut pas tout, on ne peut pas tout dire de ce cas là Aujourd'hui, quand je venais à SOS, il n'y avait que trois villages le village d'enfants de Dakar, le village d'enfants de Kaolok. Et Louga était en projet de construction. Parce que c'est l'école qui a ouvert ses portes avant le village d'enfants. Donc aujourd'hui, nous sommes à combien Cinq villages d'enfants et Combien de structures annexes Je dirais que le, le tamarinier s'est écroulé, mhm. mais les racines sont restées. Mhm. Les racines, c'est tout ce que vous entendez parler du village d'enfants SOS à travers le Sénégal. Et qu'elle a eu à gérer, à implanter, à implanter et à faire de telle sorte qu'aujourd'hui, qu'on parle de ces structures-là avec les autres membres de l'association Village d'enfants SOS qui sont là, qui sont restés.

jàngal ma ci ss ba ma yar ba ni mo ma toll nii ngir yalla ak mom la bu doo woon moom du am lepp ngir yalla ak mom yalla yal yalla ko yàlla xare àjjana. toute toute l'actualité à temps réel à temps réel sur Référence TV Référence TV la chaîne de l'innovation.